Salam sama gars yi nuyu ziar j'espère que Yenis a man maa Gaï cool gars Iliman vient de marquer son 11 11e but cette saison en championship donc face à Reading donc aujourd'hui Iliman gaï, il a marqué aujourd'hui il était en feu il est en feu encore une fois aujourd'hui donc Iliman Diaye Iliman Gaynde Ndiaye wane waat na le fayda De Gaynde Ndiaye ba Batarte tey ji mu dugal onzième cette saison Forfait de championship donc Iliman Diaye mu ngi ñu saison saison la saison là bo xamantene ne tey ci warono woné bopam té il a en train de le faire maintenant kon bi moy 11e biom cette saison ñu gën ko ñaanal rek gaynde bi diko wax encore une fois félicitations sur ci ci magnifique saison bi nga xamantene def nako avec avec euh, du United kon mbokk yi leen andi indiloon di wax wéy leen di like wéy leen euh, di commenter te di partager vidéo yi ndax ki di Iliman Gaynde Ndiaye gën a di dougal ca gain Jeff.